Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici au studio 12 de la Voix de l'Amérique. Nous sommes basés dans la capitale fédérale américaine, Washington DC. Je suis Yakuba Wedraugo. et puis à la réalisation aujourd'hui c'est Imsa Nous parlons de la Basketball Africa League avec les matchs des playoffs qui ont débuté depuis vendredi et qui se poursuivent. Aujourd'hui commencent les choses sérieuses, les quarts de finale. L'information est tombée à l'issue du premier match, du premier quart de finale de ces playoffs saison 4 de la Basketball Africa League, eh bien, sachez que le champion en titre est hors de compétition désormais. Alali d'Égypte a été battu par un novice, Alali Libye. Donc Alali Benghazi de la Libye, 86 77 dans le premier quart de finale disputé. Aujourd'hui même, du côté de la Bike Arena de Kigali, 7 au Rwanda. Et donc, le quart de finale qui commence très fort avec euh, cette nouvelle hein, sur la sortie du champion en titre. Il n'y aura donc pas de deuxième titre consécutif hein, pour les Égyptiens. souvenez-vous, depuis que cette compétition a commencé en 2021, aucune équipe n'a réussi à remporter le trophée deux fois de suite. lors de la première édition en 2021, c'était le Zamalek, puis l'Union sportive monastirienne en 2022. En 2023, l'Union sportive monastirienne a été sortie dès la phase de poule du côté de la Dakar Arunan dans la conférence Sahara. En 2023, eh bien, le champion, c'était Alali d'Égypte, qui participait aussi pour la première fois. la qui a arraché son trophée là. Et al désormais, qui remet le trophée en jeu sans lui-même, parce que tout simplement, Alali a été battu ce matin 86 à 77. Je rappelle, dans le premier quart de finale de cette Basketball Africa League saison 3, c'est tout à l'honneur, bien sûr, des Libyens d'Alali Benghazi qui ont sorti le grand jeu avec des joueurs qui ont répondu présents je m'en vais vous donner hein, quelques statistiques de ce premier quart de finale entre Alali d'Égypte et Alali Libye, donc Alali Benghazi de la Libye. Majok Machadeng, 25 points pour les Libyens. Et puis Loul Akul, 23 points. Ce sont tous hein, des Sud-Soudanais. Tout comme Robert Golden, 23 points également. Alors que du côté des Égyptiens, eh bien, c'est Tony Rusen Mitchell Jr. qui s'illustre hein, le mieux avec 17 points. Il est suivi par Amin Saleh, 13 points. Puis Sherif Mohamed El Gendi, 12 points, insuffisants en termes de rebonds. Akul aligne donc 11 rebonds, ça fait un double-double hein, pour le sud-soudanais, tout comme son compatriote Majok Machadeng qui est passé à côté du double-double avec ses 25 points et ses 9 rebonds. Mustafa Mohamed El Mekawi, lui, s'en tire avec 5 euh, rebonds. toujours côté à la Ligue d'Égypte. Et eh bien Patrick Gardner, 5 rebonds également en termes de passes décisives et donc d'assises. Eh bien c'est Robert Golden, l'Américain bien sûr de cette équipe de Alali Benghazi de la Libye, qui sentit le mieux avec 9 passes décisives et donc 9 assists, suivi bien évidemment par Lul Akul, 5 passes décisives et Mouloukou Souleymane Diabaté, vous vous rappelez bien de lui, 3 passes décisives. du côté des Égyptiens, Dalali, c'est bien Ehab Amin Saleh, 3 passes décisives seulement et seulement et aussi, hein, disons, deux passes décisives pour Gendi. Par contre, Mark Steven Lyons, du côté toujours de Al-Ali de l'Égypte donc euh, s'en avec 10 euh, passes décisives, insuffisant pour les Égyptiens qui s'inclinent donc euh, dans cette conférence dans ces matchs de playoffs du côté de la BK Arena de Kigali. C'est-à-dire que ça commence gros, gros, gros, gros, gros dans ces playoffs et donc dans ces quarts de finale. Hier et avant-hier, c'était des matchs de classement qui ont permis à chaque équipe hein, de connaître son adversaire. Des quarts de finale, et eh bien, désormais, les choses sérieuses ont commencé depuis ce matin et pour ceux qui viennent de nous prendre à main, je vous rappelle que le champion en titre est désormais hors de compétition et donc hors de course. Il s'agit d'Alali de d'Égypte qui a été battu par Alali Libye, par Alali Benghazi de la Libye 86-77 lors du premier quart de finale disputé un peu plus tôt hein, ce matin du côté, ce matin bien sûr à Washington, mais dans l'après-midi du côté de la BK Arena de Kigali. Et donc c'est la grosse information du jour. Tout de suite, dans une trentaine de minutes, et eh bien, le deuxième cas de finale de ce jour avec FUS de Rabat, les Marocains qui ont fini champions de la conférence euh, Kalahari, qui vont faire face aux Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, une équipe dont qu'ils avaient déjà rencontrée dans cette conférence Kalahari là. Et en principe, en principe, il n'y a pas de match entre ces deux formations parce que voilà, Cape Town ça a été repêché en tant que meilleur troisième de la conférence Kalahari alors que les Marocains de FUS de Rabat ont fini premier de cette conférence Kalahari là. Sur papier, il n'y a pas photo. Sur le parquet, est-ce qu'il y aura photo ou pas Eh bien, on aura la réponse sous peu. Dans une trentaine de minutes, les choses sérieuses donc vont commencer du côté de la Biké Arena à Kigali. La Biké Arena qui me manque quand même parce que voilà, l'année dernière, à cette période-là, J'étais dans cette et Arena, profitant au maximum possible hein, des matchs euh, de cette Basketball Africa League. Je rappelle qu'ils qui ont commencé, disons, depuis 2021. Le lancement a eu lieu en 2020, en raison bien sûr du Covid. Ils ont repoussé la première édition en 2021 et cela a effectivement eu lieu du côté de Dakar puis du côté de Kigali. Eh bien, nous sommes à la saison 4 de cette Basketball Africa League qui a fait beaucoup de progrès sur le continent. Et rappelez-vous, jusqu'à cette saison 4, il n'y avait pas eu de prolongation dans les matchs passés. Ce qui est énorme, ça veut dire que cette année, c'est la première fois qu'il y a eu prolongation dans un match. Il y a eu des matchs à suspense du côté de la Dakar Arena. Je me rappelle bien sûr, c'est le match qui est dans la tête de tout le monde. C'est ce buzzer beater justement de Mike Fofana pour l'AS Douane à la Dakar Arena. C'était lors de la, des matchs de la saison régulière pour ce qui est de la dernière conférence. Et si Sims Loumami le permet, on va écouter le coach de Mike Fofana. Il s'agit bien de Mamadou Pabigay qui nous explique comment ce buzzer beater de Mike Fofana a été organisé face à qui à Armée patriotique rwandaise et devant les deux présidents, le président sénégalais Diomaye Faye et le président Kagame, Paul le président rwandais, pardon, Paul Kagame, donc, du côté de la Dakar Arena, le coach de l'AS revient sur ce buzzer buteur de Mike Fofana. On l'écoute. Coach, moi j'aimerais revenir sur ce buzzer buteur de Mike Fofana à la dernière seconde, on se rappelle, contre les <laughs> Rivers ah ou personne du Nigeria. Je peux m'empêcher de vous poser cette question. Hein. <laughs> Est-ce que c'était prévu que ce soit Mike Fofana qui prenne le shoot, le dernier Tout à fait, tout à fait. C'était le plan et il l'a très bien exécuté. Et je lui en remercie, euh, il était reconnaissant, il m'a même envoyé un message vraiment. Coach, à notre niveau, on pensait que c'était un tour pour Aruna. <laughs> non, même pas, même pas. Aruna n'aurait jamais pris ce tour-là parce que tout le monde, toute la salle, tout le monde sait que Aruna c'est notre euh, ouais. plus pointeur, donc il sera carrément. Il sera sur lui, oui. Euh, lui donner un, un ballon au poste bas, il est trop là. il ne restait pas beaucoup de temps. Et j'ai vu Mike euh, aux entraînements mettre euh, beaucoup de shoots dans les corners euh, avec son avec son speed move. tout de suite, j'aime pas, se Euh, le gars de Jean-Jacques, restera sur Jean-Jacques. Uh-huh. Le gars de Arona, sur Arona. Celui de est pareil. Donc, euh, ce sera du, du, du one-on-one. fais euh, ce que tu as à faire. soit tu drives, soit tu fais un stick move. Euh, pour prendre un bon shoot. Euh, heureusement, il a pris un bon shoot au bon moment. Euh, qu'il a mis et qui a rendu tout le professionnel Justement, coach, une dernière question sur ce buzzer On l'a vu hein, lors du dernier match face à APR. Vous avez titularisé Mike Fofana d'entrée. C'était peut-être le petit cadeau de récompense <laughs> pour son buzzer Non, même pas, même pas, parce que le match d'après, le match d'après, il ne faisait pas partie des 35. Euh, mais j'ai donné beaucoup de d'opportunités à Abraham Thomas depuis le début de la saison. Et ce dernier match, euh, c'était un match à éliminatoire direct. On ne, peut pas, on pouvait pas se permettre de rentrer dans le match 2 à l'heure, euh, mettant les Rwandais en confiance. Et en basket, vous savez, ça, ça va vite. Il suffit que les adverse prennent confiance, même si vous êtes chez vous, après c'est trop tard. Oui, Ce que nous avons évité, évité de faire en mettant en match, il un basket très, élevé. Il est très mobile, très agressif en défense, un bon shooter, très rapide sur les transitions offensives. Euh, par rapport euh, aux, aussi, euh, à la taille euh, des, des, des, Rwandais. Je pense que nous avons fait un bon choix qui était de faire rentrer Mike sur le starting Bien évidemment, vous avez fait un bon choix. On l'a vu, un hein, Mike qui a sorti un gros match lors de ce dernier match, disons. Voilà, et donc, euh, vous avez écouté à l'instant même le coach euh, Pabi dit Mamadou dit Pabi de l'AS Douane. Il répondait donc aux questions de moi-même, Wade, Drago et de Cheikh Tiro. C'était lors d'un podcast organisé que nous avons bien sûr enregistré ici même euh, dans les studios de Washington DC, au studio 2 précisément, juste après les matchs de la conférence du Sahara. Et je rappelle donc, le coach Gay et ses garçons vont faire leur première sortie dans les quarts de finale demain, lundi donc à partir de la même heure et donc euh, à partir de 15h, temps universel, j'y arrive, donc 15h, temps universel, du côté de la Biki Arena et les Sénégalais feront face aux Angolais de Petro de Luanda qui ont évolué en Dancy lors de cette saison 4. En tout cas, jusqu'ici, on a vu les Angolais qui ont eu du mal, beaucoup de mal, hein, euh, lors de leur rencontre de la conférence de Kalahari où ils ont fini deuxième, heureusement pour eux, parce que c'était quand même assez très très compliqué. On a vu le coach Rossé Noto virer juste après, hein, parce que voilà, ça ne suivait pas du tout. Et chaque et on avait fait la remarque lorsqu'on était du côté de Kigali l'année dernière. Eh bien, le coach Rossé Neto des Angolais parlait beaucoup beaucoup, beaucoup pour peu d'expression sur le terrain. C'est vrai, il a des garçons très expérimentés, mais il a quand même une équipe vieillissante, une équipe qu'il tient depuis longtemps. Et depuis cette toute première édition de la Basketball Africa League sur le continent, on espérait, on espérait bien évidemment que Petro de Luanda remporte le trophée à un moment donné parce que cette équipe angolaise, il faut le reconnaître, a dominé le basketball africain pendant longtemps, très longtemps d'ailleurs sur le, continent, avant dans les compétitions bien sûr interclubs, mais aussi dans les compétitions concernant les équipes nationales. Cette fois-ci, c'est une compétition à la NBA qui se passe sur le continent et les, Angolais de Petro de Luanda ont du mal. Ça veut dire bien sûr que les autres équipes se préparent très bien et elles arrivent bien sûr à mettre tout ce qui est nécessaire pour bousculer ceux qui sont habituellement appelés bien sûr des cadors sur le continent. Et vous l'avez vu aujourd'hui une fois de plus, un petit rappel, le champion en titre Alali d'Égypte a été battu par un novice à ce stade de la compétition. Je vais parler de Alali Benghazi de la Libye qui s'en sort donc, qui remporte le premier quart de finale. 86-77 devant les Égyptiens, une fois de plus champion en titre. Et donc, c'est dire que ces matchs de cette Basketball Africa League ont évolué sur le continent et lorsque vous y allez, eh bien, vous devez être prêt. Je vais vous donner un aperçu de ce qui va se passer dans les prochaines rencontres. Et donc, aujourd'hui, les Libyens ayant battu les Égyptiens en quart, eh bien, les Libyens sont qualifiés pour les demi-finales. Et les demi-finales auront lieu quand Les demi-finales auront lieu le 29 mai. Et bien avant, les Libyens vont affronter en demi-finale soit les Rivers Hoopers du Nigeria ou bien l'Union sportive monassyrienne de la Tunisie. Ces deux formations-là s'affrontent demain, demain donc 27 euh, mai, pour ce qui est des matchs toujours des quarts de finale. Et donc, c'est la configuration qui se présente aujourd'hui, tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes à peu près, eh bien, les Marocains de Fus, de Rabat, qui ont fini, je le rappelle, premier de la conférence Kalahari, vont affronter les Sud-Africains de Cape Town Tigers, les Sud-Africains, bien évidemment, qui avaient accueilli à l'époque les matchs de cette conférence Kalahari, c'est dire que ces deux formations-là se connaissent. Et le vainqueur d'aujourd'hui, et donc le vainqueur de ce match, fils de Rabat, Captain Tigers d'Afrique du Sud, va affronter en demi-finale, toujours le 29, soit l'AS Douane du Sénégal ou bien Petro de Luanda. Les deux, bien sûr, s'affrontant. Demain, toujours pour le compteur des matchs des quarts de finale. Alors, Sims Lumami, on écoutait le coach Pabigué tout à l'heure. On va repartir écouter le coach Pabigué qui nous parle justement de sa préparation pour ces playoffs de Kigali. On y va. Oui, tout, à fait. On a manqué de constance, on a manqué de rigueur, euh, de régularité euh, dans l'effort parce qu'un match de basket, ça se joue sur 40 minutes euh, et non sur, sur 20 minutes ou 3-4 ans. ce qui nous a valu qui euh, nous a fait beaucoup de mal euh, lors de nos euh, pour avoir quatre derniers matchs, même si nous avions entre-temps gagné certains, certains, certains, matchs. Donc avec ce match contre la le discours a été très clair, c'était un discours d'homme. nous avions fait notre job en tant que technicien comme il se devait, ça veut dire faire les vidéos comme il se devait, euh, venir à la, à la, salle de vidéo, avant tout, j'ai parlé avec eux euh, pour dire euh, les principes de toute façon restent les mêmes depuis cinq matchs et pourtant à chaque fois sont les mêmes erreurs euh, qui, se répètent. Maintenant, dites-moi si vous avez vraiment envie que je vous répète encore les mêmes choses que je vous avais répétées lors de ces cinq dernières matchs. Je suis là, on est disponible. sinon, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura absolument rien parce que tout un chacun ici pourra coacher ses matchs ce sera un match d'hommes devant notre public, nous n'avons pas droit à l'erreur. Il n'en est pas question de, finir troisième. Si on finit troisième, c'est de toute façon, vous irez au Rwanda sans moi. Donc, faisons tout pour, euh, euh, gagner ce match si vous voulez que je sois du voyage. Merci, merci coach. Merci beaucoup, coach. Chèque depuis Washington, Yakuba. Je, euh, félicitations encore une bonne une fois nous avons vu l'année passée, vous êtes qualifié, vous êtes parti jusqu'au final dans les playoffs. Mais maintenant, il y a tellement de nouvelles équipes euh, qui se, qui se sont montrées, Yacoub. Nous avons vu avec les. très belles équipes cette année. Des très belles équipes cette année et puis leur première fois. comment est-ce que vous envisagez de préparer cette playoff euh, qui, qui est prévue en Kigali et Quelles leçons vous avez tirées de l'année passée pour vraiment faire euh, tirer profit Remporter le trophée maintenant. Remporter le trophée maintenant. Absolument. Donc, qu'est-ce, quel est votre plan Quelle préparation mentale, physique et que vous avez votre équipe euh, pour préparer ces playoffs à Kigali avec des nouvelles joueurs euh, qui, qui, sont avec vous cette année aussi. Et nous avons vu euh, les Soudanais et les jeunes Soudanais, nous avons déjà quitté nous avons eu Fofana, Akek, absolument, Mike, Mike et, Bossé. quel changement vous pouvez faire cette année pour vraiment remporter la Coupe au Sénégal ce qui sûr et certain que mon plan, je vous le dis pas, sinon tout le monde va, le savoir, hein, ça c'est clair. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les principes restent les mêmes. Il va falloir euh, qu'on se concentre beaucoup plus maintenant euh, sur les responsabilités individuelles, parce que vous savez mieux que moi en basket, la responsabilité individuelle avant qu'elle ne soit collective d'abord, en défense. très bien défendre, pour qu'il y ait une très bonne rotation au cas il y a Euh, assurer aussi nos box euh, assurer nos box nos, nos run nos replis défensifs, euh, partager mieux le ballon, parce que euh, c'est assez, sur ce domaine que nous avons des problèmes. Il y a trop d'incompréhension dans le jeu. Notre jeu offensif n'est pas assez fluide, même si nous sommes la meilleure équipe défensive. Mais offensivement, nous perdons beaucoup de ballons parce qu'il y a trop d'incompréhension dans notre jeu. Donc, ces détails-là, il va falloir les régler très, très, très vite. Euh, mais normal, je comprends, euh, les joueurs euh, venaient à compte Nous avions fait 10 voire 5 jours euh, d'entraînement avec des joueurs qui venaient de partout, certains du Portugal, d'autres du Nigeria, d'autres du Niger, d'autres de l'Australie. donc, avec cette compétition aussi relevée, c'est très, très difficile de, de de tout le monde rentre dans le moule en, en si peu de temps. Mais je pense qu'il y a du progrès, il y a du progrès. Même les matchs que nous avons coach euh, Mamadou Gueye Dipabi, à l'instant donc euh, toujours dans le podcast euh, que j'ai animé, co-animé disons avec Cheikh Tiro, le coach Pabi Gueye qui revient sur les difficultés rencontrées par cette équipe de l'AS Douane lors de ses matchs de poule, lors des, matchs de la saison régulière du côté de la Dakar Arena. Eh bien, on espère que les Sénégalais ont pris le temps de corriger tout cela parce que hier, ça s'est encore ressenti un tout petit peu dans ce match de classement entre les Rivers Hoopers du Nigeria et l'AS Douane du côté de la Biké Arena. Je rappelle, c'était un match de classement. On a vu cette équipe sénégalaise hein, sortir beaucoup de difficultés déjà rencontrées du côté de la Dakar Arena. Est-ce que cela a été corrigé ce n'est pas évident dans la mesure où cette équipe sénégalaise menait quand même hein, de 20 points, sinon 22 points même d'écart, les Nigériens, Et par la suite, comme habituellement, eh bien, les Sénégalais ont plombé un peu leur plan hein, depuis les ailes des, douaniers ont pris bien sûr du plomb vers la fin du match et finalement les Sénégalais se sont imposés avec six petits points, donc deux possessions, 63-57, c'est dire à quel point c'est difficile souvent pour les garçons de coach Pabigué de gérer les fins du match. Mais écoutez, ce n'est pas la fin, ce n'est vraiment pas la fin, c'est pas la fin. Donc euh, les Sénégalais ont une fois de plus cette journée pour se préparer, corriger ce qu'ils ont à corriger parce que demain, ça sera lourd, ça sera costaud face à l'équipe de Petro de Luanda qui a rage hein, et qui a envie de se racheter parce que jusqu'ici, je le rappelle, cette équipe angolaise n'a pas réussi à atteindre son objectif, à savoir remporter le trophée. Ils ont été finalistes, je pense, en 2022. Et puis l'année dernière, ils sont sortis en demi-finale justement par cette équipe, même équipe de l'AS On espère que ça va passer cette fois-ci, pour les Angolais, non, je pense qu'ils ils ont, battu les, Ivoiriens en, cas, je me rappelle, les, les Angolais, Abidjan Basketball Club, puis ils se sont plantés en demi-finale face à l'AS Douane. On espère que cette fois-ci, les Sénégalais vont une fois de plus euh, prendre le dessus sur les Angolais. Mais attention, attention à cette équipe angolaise qui est blessée et qui a grossi le cœur et qui veut vraiment se racheter, non seulement devant son public, mais aussi devant le public euh, sportif, euh, fan de basketball africains parce que jusqu'ici, on les attend, on les attend, ils ne sont pas encore au rendez-vous. Je le disais tout à l'heure, on aura un match entre les Marocains de Fus de Rabat et les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Et bien évidemment, sachez que dans les rencontres hein, de classement, les Marocains avaient déjà fait fort en battant le champion en titre 89-78. Il s'agissait bien sûr Ligue d'Égypte, pendant que les Sud-Africains se sont inclinés Naturellement, 76 à 87 devant les Libyens dans la Ligue Benghazi, les Libyens qui confirment donc aujourd'hui en sortant le champion en titre. C'est donc c'est dire à quel point cette équipe marocaine, il faut la craindre parce qu'elle a battu le champion en titre et elle a des garçons qui frappent fort. Et justement, lors de ce match entre les Marocains de Fus, de Rabat et les Égyptiens d'Alali, il y a un garçon qui s'est illustré, et eh bien vous le connaissez très bien, c'est un Malien, Aliou Diarra. Aliou Diarra, énorme, hein et qui avait d'ailleurs inscrit un double-double avec 21 points et 10 rebonds face bien sûr aux joueurs de champion en titre à la Ligue d'Égypte. Et donc Aliou Diarra qui est beaucoup attendu aujourd'hui encore, vous le connaissez, c'est un garçon qui marque assez de points, mais qui défend surtout très bien et qui n'a pas peur de l'arceau. On le voit souvent aller au dunk sans aucun remords, sans aucune crainte de quoi que ce soit, et c'est à son honneur. Et donc Aliou Diarra qui fait fort hein, dans, cette, euh, dans ces matchs de la Basketball Africa League, Aliou Diarra qui connaît bien sûr cette compétition parce qu'il a joué l'année dernière pour euh, le stade malien de Bamako, donc le club des chez Cette année, il est du côté des Marocains de Fus de Rabat et il fait fort. À côté de lui, il y a un garçon comme Kendrick Brown. Kendrick Brown aussi énorme hein, face à Al d'Égypte lors du match de classement avec 20 points et 5 passes décisives et bien sûr toujours du côté de FUS euh, de Rabat, eh bien, il y a un garçon comme Jonathan Jordan qu'il faudra surveiller de près. C'est vrai qu'il n'a inscrit que 14 points face à Alali, mais il a quand même pris 6 rebonds, ce qui est énorme. Côté Alali, il n'y a plus rien à dire, que ce soit Mark Steven Lyons avec ses 20 points ou Patrick Gardner 12 points ou encore euh, Amine Saleh, 11 points. Tous ces garçons-là sont désormais out de la compétition. Ce sont des garçons pas de cœur hein, lorsqu'ils sont sur le parquet parce que voilà, ils y, vont à fond. Ils jouent leur basketball, c'est en leur honneur. Et donc un gros match attendu et c'est sous peu. Tout à l'heure, donc euh, dans une quinzaine de minutes, entre euh, l'Union sportive monassyrienne, pardon, entre bien sûr les Marocains de FUS de Rabat et les Sud-Africains de Cape Town Tigers, Sims Lumami. Si tu le permets, on marque une courte pause. Ce sera juste de quelques secondes et on se retrouve tout de suite. Merci à vous qui nous suivez. Je suis Yakuba Ouedraogo en direct du studio 12 de la Voix de l'Amérique. Si vous venez bien évidemment de nous prendre en marche, eh bien vous êtes dans l'avant-match des playoffs de la Basketball Africa qui se déroule du côté de la Biké Arena à Kigali au Rwanda. Tout à l'heure, le premier quart de finale de cette saison 4 a été remporté par les Libyens Dalali 86 à 77 face à l'autre Alali, ligue d'Égypte, champion en titre et désormais hors de la compétition. Dans quelques 15 minutes va commencer pardon, hein, le second quart de finale de la journée entre les Marocains de Fus du Rabat et les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Nous sommes dans l'avant-match, nous sommes bien sûr dans l'avant-match, je le disais, hein, de cette rencontre tant entendue du côté de la Bic Arena, on le voit, il y a plein de monde hein, dans les gradins. Pendant que les joueurs s'échauffent sur le parquet de cette magnifique enceinte de basketball africain basée du côté de Kigali au Rwanda, je parlais donc euh, du coach Pabigé avec qui on va poursuivre l'entretien sur les débuts difficiles de cette équipe de l'AS qui nous intéresse particulièrement parce que bien sûr c'est une équipe euh, qui vient d'une zone que nous couvrons beaucoup en tant que VOA Afrique et donc euh, le service français. Ah oui, on va arriver, merci Sims de me le rappeler. Donc on va écouter tout de suite Malik Dao qui parlait justement du niveau des matchs de la conférence Sahara avant que, je rappelle, hein, une conférence Sahara qui a fini par désigner s'est qualifié. Il s'agissait, il s'agit parce qu'ils sont toujours en liste de l'AS Douane qui a fini deuxième derrière les Rivers Hoopers du Nigeria, puis l'Union sportive monastérienne de la Tunisie qui a été repêchée en tant que meilleur troisième. Malik Dao parle justement du niveau des matchs de la conférence du Sahara. Malik Daou, c'est un consultant sportif, on l'écoute tout de suite. Parce que vous faites des entraînements, vous donnez des consignes aux joueurs, vous prenez les temps et puis dès qu'ils arrivent sur le terrain, ils font totalement l'inverse de ce que vous avez demandé. <laughs> Absolument. <laughs> voilà, donc euh, <laughs> pour avoir été coach aussi, je sais ce que c'est. Bon, l'essentiel, il fallait se qualifier. L'AS doit s'est qualifier et je sais que euh, fera les ajustements qu'il faut faire pour faire un très bon parcours à Kigali. Alors justement, Malik, on, le disait également, vous avez commenté euh, ces matchs-là. Comparaison n'est pas raison, mais on ne peut s'empêcher de faire bien sûr de la comparaison entre le niveau dans, le, dans cette conférence du Sahara et les deux conférences précédentes. Je vais parler du Nil et de, de, Kalahari à Pretoria. D'aucuns mm. disent que c'est la meilleure conférence, bien sûr, cette conférence du Sahara. Bah oui, meilleure conférence en termes d'intensité, en termes de dramaturgie aussi. <laughs> Oh, mais on a senti ça, Malik, depuis le premier match. Eh, on a eu du tout. Parce que ceux qui connaissent le basket africain, ils ne sont pas très nombreux. Bien évidemment. Vous penser que les Hoopers se qualifieraient, mais ceux qui connaissent pas vraiment le basket africain penseraient jamais que les Hoopers seraient les premiers de cette conférence. Donc, pour dire que voilà, c'est une conférence qui était assez, euh, euh, assez intense, assez dramatique aussi pour, euh, pour certains. On a vu pour l'APR, par exemple, qui est sorti. On a vu Monastir qui commence par un 0-3 et qui finit sur un 3-3 avec un, un jeu qui a totalement changé, qui a totalement basculé. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes d'adresse, c'était une conférence plus faible. Il n'y avait que l'adresse qui était faible, mais l'intensité, la dramaturgie, Absolument. la consistance physique, c'était vraiment la plus dure des conférences. Absolument. Euh, justement, on ne peut s'empêcher hein, quand même de revenir sur ce dernier match entre l'AS Douane et Apirer, un dernier match qui qualifie les Gabelous et qui élimine en même temps les Rwandais. C'est la première fois que ça va se passer sans une équipe rwandaise dans les playoffs et c'était sous les yeux, bien sûr, du président Paul Kagame, Kagame. et de son homologue sénégalais Diomaye Faye. On fait un coucou d'ailleurs à ces deux présidents-là. Alors Malik, comment vous avez vécu cela dans la salle, en termes de pression et de tout ce que vous sentiez autour Non, dans la salle, dans la salle, les gens étaient confiants. Les gens étaient confiants. Et puis, bon, on n'oublie pas que la veille, les deux meilleurs joueurs rwandais s'étaient blessés, malheureusement pour eux. Mais euh, honnêtement, euh, personne ne voyait euh, les Gablous perdre hier. Parce que, bon, ils nous ont habitués à faire un gros run contre US Monastir l'année passée à la même période. Donc tout le monde, <laughs> avait ce machines. On se disait non, non, non. Mais euh, j'avoue qu'ils euh, peuvent, ils peuvent s'éviter ce genre de soucis à l'avenir. Bien évidemment, l'AS Douane pu s'éviter ce genre de soucis à l'avenir. C'était Malik Dao qui s'exprimait donc euh, dans l'un de nos podcasts sur cette équipe sénégalaise, mais aussi sur la conférence du